forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique de la crise énergétique au Niger. Avec nous ce soir, euh, professeur euh, Albert Wright, ingénieur héliotechnicien, ancien directeur général de l'ONERSOL, l'actuel CNES, et ancien directeur des études de l'EMIG et ancien ministre d'État. Avec nous également euh, M. Maman Nouri, président de l'Association nigérienne pour la défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Au menu du forum de ce jeudi 2 mars 2017, la problématique liée à la crise énergétique au Niger. Dans, dans, la première partie de ce forum, on va essayer de voir les causes réelles de la crise énergétique au Niger. Euh, puis, dans la seconde partie, nous parlerons des opportunités ou encore les différentes potentialités énergétiques dont regorge le Niger. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, on va essayer de proposer des pistes de solutions à court, moyen et long terme. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler cette disposition de l'article 12 alinéa 2 de la Constitution de la Septième République qui stipule que l'État assure à chacun la satisfaction des, des besoins et services essentiels ainsi qu'un plein épanouissement. Donc, on comprend aisément que le droit à l'accès à l'énergie est un droit constitutionnel. Plusieurs décennies durant, le Niger est confronté à une crise énergétique majeure. Le problème est surtout durement ressenti pendant la période de forte canicule où la Nigérienne de l'électricité, la Nigerec, la Nigélec, la société distributrice de l'énergie électrique, procède à des délestages avec son lot de dégâts matériels et financiers chez les ménages et autres commerçants. Avant de vous donner la parole, euh, écoutons d'abord la réaction du président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, nous, Mahamadou Arjika, qui chaque année reçoit des plaintes des consommateurs. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas plus de 10% des Nigériens qui ont accès à l'électricité. Vous imaginez que c'est très grave. Nous sommes un pays pratiquement de 1 267 000 km avec des populations éparpillées un peu partout. Même si nous ne pouvons pas faire l'électricité et où on va tirer des gros fils, mais on peut utiliser le solaire pour implanter l'électricité dans tous les villages. Tout à l'heure, quand je citais, j'ai pas cité l'énergie hydrique, la possibilité de faire de l'électricité à base de l'eau, telle que nous envisageons de le faire à partir de l'ambition que nous avons nouée de construire le barrage hydroélectrique de Kandaji. Justement, par rapport à ce barrage euh, de Kandaji, beaucoup d'espoir se fonde sur la création de ce barrage. Oui, mais vous savez, je me rappelle encore le 3 août 2008, lorsqu'on a fait la pose, la première pierre de ce barrage, l'ambition était que dans six ans, c'est-à-dire le 1er janvier 2014, on espérait voir le barrage fonctionnel avec la capacité de produire tout ce qui a été envisagé en termes de projet. Malheureusement, comme vous le savez, beaucoup de situations sont intervenues pour contrarier cette question-là. Vous avez bien vu que aujourd'hui, on en parle seulement. Jusqu'à présent, il n'y a rien de véritablement concret qui nous destine à aller vers cette ambition de voir le Niger disposer d'un barrage hydroélectrique capable de produire les 120 à 130 mégawatts dont on a parlé. Vous avez parlé de l'énergie solaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la, création de Gorubanda, euh, euh, le chantier qui s'ouvre euh, et et qui n'avance pas, est-ce que vous avez mûri une réflexion ou des propositions Vous êtes penché sur l'énergie solaire. Mais l'énergie solaire, madame, c'est un sujet qu'on a abordé depuis longtemps. Sachez que ici au Niger, on a eu la chance d'avoir un compatriote qui s'appelle Abdou Mouni, qui a pu mettre au point une technique en matière de production d'énergie électrique à base de l'approche thermodynamique et qui est encore plus efficace. Et aujourd'hui, depuis qu'il a fait, ça devait être accompagné, il devait être soutenu, le projet devait produire des résultats et pour qu'on puisse, avec ce résultat-là, être à mesure de pouvoir, j'ai dit, faire en sorte que, comme nous sommes un pays grand, au lieu de produire faut chercher à transporter, on peut faciliter la possibilité de fournir l'électricité à tout le monde en développant le solaire parce que le soleil est partout. Et donc même des zones reculées peuvent aujourd'hui se voir électrifiées à base du solaire. C'est la chose la plus facile parce qu'aujourd'hui quand c'est quand c'est à base l'électricité hydrique, il faut la transporter. Quand c'est l'électricité thermique, il faut la transporter. Tout ça il faut transporter. Actuellement, il y a beaucoup de villages et beaucoup de CSI dans le pays qui sont soutenus par certaines ONG et qui fonctionne à base de, ces panneaux solaires. Vous êtes avec les consommateurs pour défendre les, droits de ces consommateurs. Euh, parlez-nous des plaintes que vous enregistrez. Est-ce que cette fréquence est, grande par jour Les plaintes que nous recevons, c'est tous les matins. Tous les matins que Dieu fait, vous allez recevoir des dizaines et des dizaines de plaintes des gens qui sont victimes d'une situation quelconque qu'ils ont vécu. Parce que vous avez des coupures intempestives. La Nigélec aujourd'hui n'est pas capable de... On ne sait même plus maintenant c'est à quel quelle période l'Angélec a des capacités pour plus. Même la période de froid, il y a eu coupure. Cette année, vous avez vu, c'était tellement grave. Même sous la période de froid, il y a coupure d'électricité pendant des heures. Mais imaginez un opérateur économique qui a une unité euh, euh, commerciale, une unité de production et qui, qui fonctionne avec l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il croise les bras. Quelqu'un qui a poissonnerie, qui a ses poissons dans ses frigos, il n'y a pas d'électricité, les congélateurs sont chauds et puis le euh, les poissons est pourri, c'est fini. Donc il a perdu. Mais bon Dieu, vous imaginez les pertes économiques, vous imaginez le manque à gagner, vous imaginez tout ce que représentent aujourd'hui les pertes sèches que subissent les Nigériens depuis le temps de toutes les coupures que la Nigélec nous a fait subir. Et après on dit non, non, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Personne ne vient expliquer aux Nigériens qui sont en droit d'avoir leur information, c'est quoi les motifs. Est-ce que les consommateurs se plaignent aussi de la surfacturation Il n'y a pas d'électricité, mais souvent la facture est élevée. les consommateurs se plaignent de la surfacturation. Madame, vous le savez bien, même vous vous plaignez de la surfacturation. Hein. Parce que justement, on vous envoie une facture sans avoir fait le relevé de chez vous. On essaie de faire une facture forfaitaire et on dit d'emblée, bon voilà, vous êtes censé euh, avoir consommé tant d'électricité et donc par conséquent voilà vous allez et quand vous allez faire la, réconciliation entre le compteur que vous avez le niveau de consommation réel sur votre compteur et ce qui apparaît sur les factures vous trouvez que ce sont communes mesure. il faut que ça s'arrête alors, retour dans ce studio du studio Kalangou pour aller vers euh, professeur Wright. Vous êtes ingénieur héliotechnicien, ancien directeur général de l'ONERSOL, l'actuel CNES, ancien directeur des études de l'EMIG et ancien ministre d'État. Professeur Wright, venez là de suivre nous, Mahamadou Arzika du MPCR. C'est pas pour répondre, mais explique-nous euh, quelles sont les causes réelles de la crise énergétique au Niger. Bon, les causes réelles de la crise énergétique au Niger ne peuvent pas être euh, scindées, euh, cernées en quelques mots. Euh, c'est un mal qui vient de loin. pour revenir à ce que vient de dire Nouhou Arzika, le barrage du W était déjà en observation depuis 1959 il y a eu comme premier commissaire au barrage de Kandaji le ministre Moussa Bako, qui est décédé aujourd'hui. Et euh, déjà à ce moment-là, euh, jusqu'en 1984, je dirais, il y a eu au moins 5-6 études qui ont montré la faisabilité de ce barrage. En 84, lorsque le colonel euh, Seyni chef de l'État à l'époque, euh, avait établi, euh, voulait établir la charte. Euh, j'avais eu le dossier en main et j'avais constaté que, à l'issue de ces études, les prévisions de financement de ce barrage se situaient entre 84 milliards et 91 milliards. Quelques années plus tard, au moment où euh, le ministre Amadou Boubacar Sissé avait en main le dossier, on était déjà à un besoin de financement de 500 milliards. Alors, c'est pour dire que, voilà, au fil du temps, l'obstacle financier est devenu un réel obstacle parce que le Niger, malheureusement, n'a pas connu, depuis qu'il est indépendant, une croissance de ressources suffisante pour faire face à des dépenses de cet ordre de grandeur. La Nigélec. La Nigélec, elle a vieilli il n'y a pas eu, c'est mon analyse, il n'y a pas eu de suivi, ni en termes de formation de capacité de cadre au sein de cette société, ni en termes de comportement normal de l'État face à une société qu'il se devait de défendre. Lorsque nous sommes arrivés à la conférence nationale, j'étais un des acteurs, Lorsque nous sommes arrivés à la conférence nationale en 1990, la Nigelec était en quasi faillite. L'État lui, devait quelques 7 milliards de francs CFA qui n'étaient pas versés à la dite société. Et une société, euh, ça demande que le personnel soit payé, ça demande que les machines soient suivies, qu'on fasse les vidanges des turbines, etc. Bon, donc une société a besoin d'argent pour maintenir en état de marche son équipement. Au-delà de cela, les équipements ont des durées de vie limitées, donc elle est arrivée en fin de souffle. C'est ce qui fait qu'il a fallu à un moment donné courir sur tous les marchés internationaux, d'autant plus que les équipements euh, turbines à gaz et autres euh, était en train d'être abandonné sur le marché international. Il a fallu identifier ceux des derniers États qui continuaient à employer cette technologie pour trouver l'équipement nécessaire pour dépanner. Alors, au-delà de cela, malgré nos engagements euh, de fournir des efforts euh, supplémentaires ou nouveaux euh, dans le sens d'abandonner les énergies fossiles pour euh, mettre l'accent sur l'utilisation des énergies renouvelables. Rien n'a été fait au Niger. Euh, Arzika a parlé de Abdou Moumouni. Abdou Moumouni est revenu du Mali où il avait créé le laboratoire d'énergie solaire, le LESO, à Bamako. Il est revenu au Niger en 1969, prenant la succession de l'ingénieur Bazabas, qui avait déjà quand même euh, euh, commencer à parler de la possibilité d'exploiter l'énergie solaire pour couvrir certains besoins énergétiques, par exemple de chauffage de l'eau, de cuisson des aliments, de séchage de la nourriture, des plantes, aux fins de conservation. Bon, donc tout cela avait déjà été fait. Mais lorsque Abdou Moumouni est arrivé, il avait euh, une idée très intéressante, celle de, après avoir étudié les, moteurs de première génération, euh, le premier d'ailleurs historiquement a été réalisé par l'ingénieur français Gérardier en association avec le doyen de la faculté des sciences maçon à Dakar et il a été expérimenté sur le puits au Niger de Bossé Bangou par Abdou Moumouni je rentrais à ce moment-là de ma formation en sciences physiques en France, donc j'ai un peu suivi ce travail. Et c'est à l'issue de ce travail que Abdou Mouni a passé petit à petit à l'élaboration de son propre projet de moteur qui serait un moteur plus performant parce que travaillant avec une source chaude beaucoup plus efficace. Professeur, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à, Maman Nouri. Maman Nouri, vous êtes le président de l'Association nigérienne pour la défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Vous venez là de suivre nous, Mamadou Arjika, euh, sa réaction. Vous venez là également de suivre euh, professeur euh, Albert Wright. Euh, Maman Nouri, quelles sont les conséquences de l'insuffisance liée à l'accès à l'énergie pour l'économie d'un pays en voie de développement comme le nôtre euh, merci beaucoup. Peut-être avant de, parler des conséquences, il faut peut-être me permettre un peu de rebondir euh, sur euh, les causes. Et je crois que le professeur l'a si bien dit, mais je crois que quelque part aussi, la Nigeria qui est la seule société qui produit, qui transporte et qui commercialise l'électricité, en tout cas n'a pas un plan de développement à moyen et long terme. Euh, le plan de développement, c'est quoi qui, suit le rythme de développement de nos villes et le, rythme du besoin, en tout cas, de, la population, donc des consommateurs. Donc ça, c'est une faille qui est là, qui est évidente. Et, mais aussi, il y a quelque part un problème de diversification des sources d'énergie. Il n'y a que, essentiellement, l'énergie qui vient du barrage de Kenji au Nigeria qui satisfait la population du Niger. Quelque part, on n'a pas pensé à aller trop vite vers d'autres sources beaucoup plus prouvantes, beaucoup plus, en tout cas accessibles, telles que euh, celle que le professeur l'a dit, l'énergie solaire. Il y a certainement le charbon qu'on n'a pas pu exploiter à temps, hein, qui pouvait en tout cas, en tout cas réserver, euh, plutôt euh, résorber une grande, le, le, besoin. Maintenant, en ce qui concerne les conséquences, les conséquences, tout le monde sait, euh, tant que vous n'avez pas de l'énergie, en tout cas, le secteur économique fondamental, c'est-à-dire que d'abord l'industrie, ce qui est sûr, euh, n'est pas compétitif et ne peut pas se développer. Et c'est l'une des, en tout cas, les, les, conséquences les plus frappantes. Le coût d'énergie, en tout cas, au niveau de nos industries, il est très élevé. Et de, fait, de ce fait, le coût de production des, des produits de consommation, donc, euh, il est très élevé. Et par conséquent, le prix de ces produits sur les marchés est plus cher par rapport aux autres produits. La conséquence, quand vous prenez, par exemple, euh, un simple exemple, en tout cas, les boissons sucrées qui nous viennent du Nigeria, en tout cas, quand vous, type produite par Bras-Niger, par exemple, du coup, vous constatez que le prix est moins cher par rapport, en tout cas, au prix de, celle du Niger. Donc, tout ça, là, le facteur énergie joue un rôle très important, en tout cas, dans le prix. Ensuite, en ce qui concerne le besoin élémentaire de la consommation du Nigérien, c'est l'éclairage le plus souvent, en tout cas, c'est l'éclairage et ensuite quelques besoins pour le frigo, quelques besoins pour regarder la télé. Et en tout cas, pour la classe moyenne qui utilise soit, en tout cas, le, le, split, soit, en tout cas, le, l'humidificateur, euh, là aussi, c'est, ça les besoins. Alors, quand on regarde, si déjà un État ou une société qui ne peut pas satisfaire ça, alors on peut vraiment constater que c'est, une société qui est en deçà en tout cas qui est en dessous plutôt de, sa capacité de satisfaire les, besoins des consommateurs. Du coup, en tout cas, euh, <clears throat> l'estimation qu'on peut faire pour la couverture en besoins énergétiques d'ici 2020, le Niger, du coup, ne peut pas atteindre, en tout cas, le cap en tout cas souhaité pratiquement par tous les États de la CDAO. Donc vous liez le développement socio-économique euh, d'un pays à, sa capacité, à sa dépendance euh, énergétique Bien sûr, il y a ça, il y a un de ces facteurs-là, la question de l'énergie. Il y a un de ces facteurs-là, mais aussi, quelque part, euh, vous conviendrez avec moi, euh, la question de, de, la conséquence de ce problème-là, c'est que de plus en plus, euh, les, euh, les, consommateurs cherchent d'autres solutions. Et les autres solutions, c'est quoi C'est les offres des marchés nationaux et internationaux particulièrement, c'est les panneaux solaires, euh, c'est les et euh, c'est les batteries ordinaires. Donc, c'est des sources d'énergie qui sont là, et qui, dont, en tout cas, quelque part, par rapport à l'éclairage, la Nigélec ne peut pas satisfaire du coup les euh, le besoin de la population et on fait recours à ça. Maman Nouri, on va donner la parole au professeur, professeur, professeur Albert Reita. Quelles sont les principales sources d'énergie jusque-là exploitées au Niger pour l'instant je vais réagir par rapport à ce que M. Nourou vient de dire. L'énergie est le facteur principal de développement et de croissance dans un pays. Vous voyez, la communauté euh, européenne, lorsqu'elle a voulu euh, se créer, elle s'appelait communauté économique du charbon et de l'acier. C'est-à-dire qu'ils avaient mis à la base de leur projet de développement hein, l'énergie. Alors, un pays qui ne se préoccupe pas d'assurer les besoins énergétiques, eh bien, il court à la faillite. C'est malheureusement ce que le Niger actuellement est en train de connaître. Et le problème est devenu tellement aigu, sa solution est devenue difficile et ne pourra pas être rapide. Donc, le Niger va rester pénalisé par ce déficit d'énergie pendant encore quelques années. Bon, maintenant, euh, je reviens à la question que vous me euh, posez. Euh, les sources d'énergie au Niger, elles sont multiples. On a commencé avec le, lignite de de Anou Araren. Et il y a eu la première centrale thermique d'Anou Araren, celle de Sonichar, qui continue. Le charbon. Le charbon, qui continue. Le lignite, c'est un charbon fossile de mauvaise qualité calorifique parce que euh, la chaleur dégagée par la combustion du lignite, elle est à peine comparable à celle que dégage la combustion du bois. Elle est de l'ordre de 6000, 3000, 3600 kilocalories par kilogramme. Bon, alors après cela, euh, Sony s'est mise en marche. Et je crois qu'elle a une capacité de production électrique aujourd'hui de 16 MW. Et euh, elle, elle, a desservi les sociétés minières. Preuve d'ailleurs, s'il en était, que l'énergie et a été l'acteur principal de la mise en valeur de nos mines euh, d'uranium dans le département euh, d'Agadez. Bon. Au-delà du lignite, euh, il y a eu plus récemment la découverte du pétrole. Le pétrole, c'est la source, on l'appelle l'or noir. Donc, ça a été la source de développement de toutes les sociétés industrielles les plus à la pointe aujourd'hui du développement. Depuis le 19e siècle, malheureusement euh, l'usage abusif de ce pétrole qui a le grave inconvénient de dégager dans l'atmosphère du CO2, du gaz carbonique, a créé ce qu'on appelle le phénomène euh, d'émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire renforcer l'effet de serre du rayonnement solaire sur la Terre, qui a conduit, vous savez, à toutes ces réunions internationales aujourd'hui de réflexion sur le freinage euh, de consommation de ce type de, produits. Donc, c'est l'une des conséquences euh, de, la centrale euh, thermique euh, diesel de Gouroubanda Non, non. Le Niger, le Niger est allé signer des, accords. Hein. Le dernier, c'est l'accord de la COP 21 à Paris. Je vais m'engager à faire davantage énergie renouvelable. Et puis nous venons, nous programmons la réalisation de la centrale de Gorubanda qui va euh, consommer beaucoup de diesel ou même on m'a dit du fioul lourd parce que euh, malheureusement il n'y a pas beaucoup d'échanges sur l'état de cette centrale. C'est ce qui fait que les Nigériens se demandent aujourd'hui à quel, moment on va la mettre en marche. Bon, c'était une solution, on ne peut pas dire euh, irréfléchie parce que la ville connaissait un grand stress de manque d'énergie et c'était donc une solution sage de construire rapidement une centrale, parce que les autres types de centrales, comme le garage, barrage de Kandaji, vous voyez toute la contingence de problèmes qui a retardé sa réalisation et qui continue à subsister. Alors la centrale de Gorubanda, centrale thermique, avait l'avantage d'être pouvoir construite dans un laps de temps court et de d'apporter une solution rapide au déficit énergétique dans la ville. Bon, malheureusement, moi, de mon point de vue, à l'époque, c'était mon opposition au, choix de cette centrale. On a choisi une centrale de 100 MW. Et, je pense que sa mise en œuvre a demandé beaucoup plus d'investissements et de problèmes. cela a fait qu'elle n'a pas été encore mise en marche à ce jour. Alors que si on avait construit une centrale un peu plus petite, et qu'on avait réservé le restant de nos moyens à mettre en œuvre des énergies renouvelables, je crois que le choix eût été beaucoup plus judicieux, beaucoup plus pertinent. Alors, euh, on va revenir vers vous, Maman Nouri. Euh, Maman Nouri, vous qui défendez les consommateurs, est-ce que cette crise énergétique est liée à la situation financière et économique du Niger Bon, peut dire oui, elle est liée à ça, mais je crois que euh, c'est beaucoup plus euh, un problème d'engagement politique. Euh, s'il y avait d'engagement politique depuis la conférence nationale à nos jours, et je crois que le problème d'énergie, c'est sûr. Euh, on est une petite population, pas un peu moins la population de Kano, de l'état de Kano au Nigeria. Euh, on ne peut pas comprendre, euh, en tout cas, qu'on ne peut pas satisfaire, en tout cas, le besoin d'énergie de, de, millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. C'est que, quelque part, il y a un problème d'engagement politique. Ça, c'est le La deuxième chose, c'est que quelque part, il n'existe pas autour de cet engagement politique euh, une réelle programmation, euh, en tout cas, euh, de la couverture énergétique euh, en tout cas de la population euh, à moyen, à court, moyen et long terme. Ça n'existe pas, apparemment, ça n'existe jusqu'à présent pas. Il n'y en a pas, en tout cas, une programmation euh, qui va suivre le rythme en temps réel, par exemple, année plus 2016 plus 1, 2016 plus 2, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas une planification stratégique, en tout cas, pour en tout cas, régler nos problèmes énergétiques, à mon avis. C'est vrai, il y a quelques investissements où quelques, petits projets ça et là qui ne sont pas moulés dans un programme global euh, qui, à terme, tous ces projets-là vont, vont aboutir. Mais ce qui est évident, étant entendu que c'est des projets, c'est des programmes, il y a des besoins de l'argent qui est là. Et quand on, comprend la situation actuelle du Niger avec un qui est là, euh, la question de la chute du prix de, l'uranium qui est là, la question de la chute du, prix du pétrole qui est là, qui, qui, sont en tout cas les bases de, nos ressources financières, alors on se pose la question est-ce que réellement réellement, euh, même d'ici 10 ans, on peut euh, en tout cas garantir la, le besoin en consommation. Mais nous, Maman Nouri, ça fait plus d'un an qu'on veut inaugurer la centrale thermique diesel de Gorubanda. Jusque-là, euh, ça bloque selon vos propres informations. Pourquoi Bon, je crois que, comme je l'ai toujours dit, Gorubanda, c'est un projet qui a été fait, en tout cas à la hâte euh, pour des besoins électoraux. Euh, pour, euh, en tout cas, un peu dire que voilà nos investissements, sans, avoir, en tout cas, la vision que est-ce que ces investissements sont porteurs, est-ce qu'ils ont une durée, en tout cas à moyenne qui peut satisfaire en tout cas les besoins de la consommation du Niger Est-ce qu'ils ont une rentabilité Puisque tous ces paramètres-là apparemment ont été occultés, mais c'est de faire en tout cas des grands projets visibles, euh, en tout cas que les gens vont applaudir. Et à mon avis, c'est du mirage. C'est du mirage qui a été, qui a été en tout cas développé autour de ça. Preuve, en tout cas, euh, l'ouverture ou la mise en, fonction de cette centrale a été programmée au moins cinq fois, reportée de facto. Mais nous aurions appris que quelque part, il y a euh, ça a commencé un peu à donner. Ils ont fait un premier test un deuxième test, bon, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais tout ce qui est sûr, on constate qu'il n'y a pas, en tout cas, beaucoup d'engouement par rapport à une cérémonie officielle de lancement du fonctionnement de cette centrale. Du coup, on sait que tous les techniciens le savent, hein. nous c'est sur la, source des techniciens, tous le savent, tous les gens savent que cette centrale, si on l'a faite, c'est dans un but purement, en tout cas de publicité, dans un but purement, en tout cas de, euh, politique pour, pour la campagne électorale. Que voilà, l'élection vient de terminer, c'est terminé. Cette centrale n'est pas opérationnelle. elle n'est pas du tout opérationnelle jusqu'à preuve du contraire. Et même si elle, sera opérationnelle, est-ce qu'elle va satisfaire euh, le besoin de la population de Niamey, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Les 100 MW, réellement, est-ce que à, bout, à terme, est-ce que euh, cette centrale atteindra le taux de production des 100 MW Tout ça, là, c'est des questions qui sont là. Donc, de facto, nous, à notre avis, cette centrale, réellement, si elle a été faite, ça n'a pas été fait dans une vision globale de satisfaction ou de résoudre le problème de l'énergie de la population, mais beaucoup plus qu'elle est un impact politique pour que, en tout cas, tous les Nigériens applaudissent pour dire que oui, il a fait quelque chose, le gouvernement a fait quelque chose, mais est-ce que c'est quelque chose, elle est bonne à notre avis jusqu'à présent Rapidement, professeur vous avez quelque chose à ajouter Ah oui, ah oui. je viens d'apprendre des choses que je ne savais pas de M. Nouri, vous savez. Bon, euh, je suis membre du Conseil nigérien de l'énergie qui a été mis en place à l'EMIG il y a 11 ans. Aucun gouvernement ne nous a jamais réunis pour nous demander notre avis sur les questions énergétiques, alors que cette organisation contient des membres de qualité en son sein. Bon, c'est un peu ça le grave drame du Niger. On ne planifie pas. Le, le développement d'un pays est quelque chose qui doit se penser sur le long terme, 5, 10, 15, 20 ans. Vous demandez aujourd'hui à l'AIE euh, quelle sera la situation énergétique dans tel ou tel pays européen, ils vont tout de suite réagir et vous répondre que ce n'est pas le cas chez nous. Aucune programmation de cadre. Regardez un peu les cadres de la Nigélec. J'entends dire qu'aujourd'hui, quelqu'un se dit ingénieur électricien, il connaît rien en énergie renouvelable. C'est totalement inacceptable. ils, ne sont plus adaptés à la recherche de solutions des problèmes du jour. La deuxième partie de ce forum traite des opportunités ou encore les différentes potentialités énergétiques dont regorge le Niger. Des rapports et conclusions de plusieurs recherches scientifiques démontrent clairement que plusieurs opportunités s'offrent au Niger dans le cadre de son indépendance énergétique. Euh, professeur Albert Reit, quelles sont les autres sources d'énergie qui restent à exploiter? On a parlé du lignite. Euh, le lignite, euh, dans la droite ligne de cela, on a le charbon de Salkadam qui peut permettre de faire des centrales thermiques. Il y a le pétrole euh, qui est produit actuellement par une société implantée sur le sol du Niger, la, la Et il y a le bois. Le bois, ne l'oublions pas, qui est la ressource principale pour assurer les besoins d'énergie domestique dans tous les foyers du Niger et qui malheureusement connaît actuellement une situation de surexploitation par les populations et qui est en train de nous conduire aussi vers le danger bien grand de la désertification du territoire. C'est pourquoi il est absolument urgent que l'on mette, qu'on pense à mettre en place des sources alternatives et le soleil. Je suis obligé de revenir à cela. Le soleil, qui est ce que le bon Dieu nous a donné de plus inépuisable sur la terre, offre aujourd'hui des réponses adéquates à la demande d'énergie pour chauffer l'eau, pour sécher les, produits agricoles à des fins de conservation. Pour faire du froid, on peut faire du froid à partir euh, de machines à absorption solaire et pour produire de l'électricité. Pour produire de l'électricité par deux voies. Il y a la voie thermodynamique. Elle a le vent en poupe aujourd'hui. J'en parle, j'en parle et les gens n'ont pas l'air de me croire. Je demande que ceux qui ne me croient pas aillent taper sur Google puisque quand même c'est un, euh, euh, instrument d'information qui existe aujourd'hui, et qu'ils tapent CSP, en anglais, ça veut dire Concentrating Solar Power, JS, Generating Systems. Et vous verrez que euh, petit à petit, les, centrales solaires à concentration sont en train de s'ériger. Aux États-Unis, ils sont à plus de 3000, 3500 mégawatts de centrales installées. On a à peu près les mêmes puissances en fonctionnement en Espagne. Euh, les pays et Émirats arabes unis, la première centrale de 100 MW à concentration solaire à, miroir cylindro-parabolique, je me plais à dire que c'est ça exactement le, système de production électrique qui, pour la première fois au monde, dans une conférence internationale, avait été décrit par le professeur Abdou Moumouni. Ça se passait en juin 1973 à Paris. Les, ça, Arabie saoudite a programmé d'ici 2030 jusqu'à 9 gigawatts de puissance de centrales solaires à concentration. La Chine, la Chine qui est aujourd'hui le premier producteur de panneaux photovoltaïque dans le monde est pourtant en train de regarder du côté de la mise en place de centrales thermodynamiques en concentration. en, progresser, en Afrique aussi, il y a le Sénégal qui a inauguré récemment euh, sa centrale euh, solaire, il y a le Nigeria qui a, qui a, qui a posé le Mali. Ce n'est pas cela du tout. Attention, il y a toujours une confusion. Je dis bien thermodynamique ça veut dire concrètement. Thermodynamique, ça veut dire qu'on prend la chaleur du soleil, on vaporise de l'eau, on fait tourner des turbines, les mêmes turbines classiques que celles qui sont partout à fonctionnement aujourd'hui dans Professeur, est-ce que le Niger a les moyens de, faire, euh, de mettre en place. Euh, Mais pourquoi pas Nous étions, nous sommes bien branchés sur la réalisation du barrage de Kandaji à 500 milliards. Aujourd'hui, une centrale, le Maroc le Maroc vient, est en train de construire Nour 1, Nour 2, Nour 3. J'ai eu la chance, il y a deux mois, d'aller assister à la COP 22 à Marrakech et j'ai causé avec les responsables de la production d'énergie au Maroc, Monsieur Jalil Slimani en, l'occurrence, hein, qui m'a montré donc les résultats de l'exploitation de leur première centrale à collecteur cylindro-parabolique réalisée au Maroc. Il s'agit d'une centrale de 160 mégawatts. Elle a coûté autour de 380 milliards CFA et elle a déjà tourné pendant un an. Elle a produit 500 gigawattheures d'électricité. Bon, dans les conditions euh, d'ensoleillement et climatique du Maroc, je suis sûr qu'une centrale du même type construite au Niger arriverait à réaliser un productible Professeur, est-ce que vous avez fait la proposition au décideur euh, au gouvernement par exemple Je pense, je en tout cas, euh, au moment de la COP 21, le, ministre de l'énergie, la nouvelle ministre de l'énergie, a visité euh, les, stands où étaient exposés de nombreux appareils de démonstration de l'utilisation des énergies renouvelables et qu'elle a eu des contacts avec les responsables de Mazen donc, euh, le Maroc est actuellement en train de construire une centrale à tour de thermodynamique de 150 mégawatts. Mais les panneaux solaires, je disais que la Chine est aujourd'hui le pays le plus grand producteur de panneaux solaires. Les panneaux solaires euh, constituent aujourd'hui aussi une réponse adéquate, même avec les systèmes classiques, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des panneaux solaires en mix énergétique. C'est-à-dire, on met les panneaux solaires qui produisent du, courant pendant la journée qu'on injecte sur le réseau pour couvrir les besoins les plus importants en diurne. Tandis que la nuit, la solution classique prend le relais. Bon, euh, le problème des, du, photovoltaïque comparé aux panneaux, euh, aux, centrales solaires à concentration, c'est que la centrale solaire à concentration aujourd'hui, elle est techniquement au point. Les premières centrales implantées en Californie l'ont été depuis 1984. Ça fait 32 ans, n'est-ce pas Alors que pour les, les panneaux photovoltaïques, ils sont en développement bien longtemps avant ces centrales-là parce qu'ils ont été utilisés dans l'espace. Et mais malheureusement, ils sont handicapés et ils restent handicapés par le besoin de stockage dans des batteries. Les batteries ne vivent pas longtemps. Vous avez un panneau photovoltaïque qui peut vivre 30 ans. La batterie, elle, va tenir 5 ans. Donc, vous voyez, dans un laps de temps d'utilisation du panneau pendant 30 ans, vous devez changer au moins 5 ou 6 fois les batteries. Vous devez changer au moins 3, 3 ou 4 fois le l'onduleur, parce que les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu qu'il faut, qu'il faut onduler à la sortie des batteries pour avoir du courant alternatif. Les récepteurs les plus courants de la vie de tous les jours, ce sont les lampes, ce sont les réfrigérateurs, ce sont les ventilateurs. Ils demandent du courant 220 volts et, 220 volts et alternatif 50 euh, Hertz. Professeur, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à, Maman Nouri qui représente euh, les consommateurs. Maman Nouri, est-ce que euh, aujourd'hui nos marchés sont inondés par des produits euh, solaires venant de la Chine Est-ce que c'est la solution, c'est une solution alternative à, la crise énergétique du moment bien sûr, bien sûr, parce que c'est une, solution de secours. C'est, en tout cas, étant entendu que le courant euh, produite par la Nigélec ne peut pas satisfaire la population. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens sont obligé de faire recours à d'autres sources. C'est euh, ça, c'était d'abord c'était d'abord ça. Ensuite, ça veut dire concrètement en, français. En, français, ça veut dire Bas-Saint-Jean n'a pas pu nous donner le courant, donc on le prend ailleurs. <laughs> allez-y, allez-y, continuez. <laughs> donc, de facto, effectivement, les gens courent euh, pour chercher les panneaux solaires avec les batteries et tous les, euh, les autres matériels nécessaires pour avoir au moins euh, de quoi éclairer, avoir au moins de quoi regarder la télévision, avoir euh, au moins de quoi euh, faire fonctionner le, faire tourner un ventilateur. Ça, c'est la solution de secours. Et au-delà de la question de secours, en tout cas maintenant, c'est même la solution, en tout cas la plus en vogue, et que les gens prennent ça pratiquement dans la durée. Euh, pourquoi dans la durée Parce que euh, les premières expériences ont montré que oui, ça peut régler des, problèmes d'énergie. De, et oui, euh, avec peu d'investissement, on peut avoir en tout cas ce qu'on cherche du côté de, de, de, de, de la Nigélec. Mais quelque part, il y a des problèmes. Les problèmes, c'est quoi C'est que la plupart de ces matériels qui nous viennent d'ailleurs, euh, c'est des matériels, euh, en tout cas, qui nous viennent soit du Mali, soit du Burkina, soit du Nigeria, parfois du Taïwan. Euh, donc, c'est quelque part le résultat, en tout cas, de la politique énergétique des autres États voisins qui nous viennent qui viennent ici. C'est pour dire que ces produits-là sont détaxés. Au Burkina, c'est détaxé. Au Mali, c'est détaxé. Par contre, ici, chez nous, ce n'est pas détaxé. Donc, c'est pour dire que réellement, il n'existe pas un programme pour solutionner le problème d'énergie le plus élémentaire, en tout cas aux consommateurs nigériens. La troisième et dernière partie de ce forum est consacrée aux pistes de solutions à envisager à court, moyen et long terme. On va vous donner la parole premièrement, euh, très rapidement. Euh, proposez-nous des pistes de solutions euh, pour y remédier. Solutions, comme je l'ai dit, les gens sont en train de chercher des solutions alternatives. C'est les panneaux solaires, c'est les batteries. Alors là, il faut que l'État à lui-même dise que je suis incapable de, en tout cas, de fournir de l'énergie en quantité suffisante pour toute la population. Alors, je peux proposer une détaxation, en tout cas, à l'importation de ces produits. Et c'est l'une des solutions pour permettre à, la plus grande majorité des Nigériens d'accéder à ces sources, en tout cas d'énergie, qui sont importantes, en tout cas pour le, bien-être de la population. La deuxième euh, solution, c'est que rapidement, rapidement donc c'est l'énergie solaire. Il nous faut un programme. J'ai lu il y a à peine une semaine dans, le Sahel que le Niger va s'engager là-dedans. Il faut que réellement que le Niger s'engage. Il ne faut pas que ça soit une chanson, il ne faut pas que ça soit en tout cas euh, du mirage comme Gourbanda, il faut que ça soit réellement, en tout cas, un investissement qui va satisfaire la population nigérienne. Enfin, rapidement, rapidement. enfin une dernière solution, c'est que euh, on produit de l'uranium, on vend de l'uranium. Cet uranium sert à fournir beaucoup d'énergie électrique et d'autres sources d'énergie à des États qui se sont développés. Le Niger n'a pas saisi cette opportunité, même s'il existe aussi un programme. Il y, a la HANEA qui, qui, qui s'en charge de la Donc, il faut que, il ne faut pas que ça soit à l'image du barrage de Kandaji. C'est surtout ça en tout cas qu'on craint. ça fait longtemps, il ne faut pas qu'Anéa aussi ça Nous allons donner la parole euh, à, professeur. Professeur, quelles sont les, pistes de solutions à envisager à court, moyen et long terme rapidement Alors, j'adhère volontiers aux deux premières suggestions de M. Nouri, c'est-à-dire voir une détaxation des produits les plus courants, les petites lampes d'éclairage, les, les, les batteries les onduleurs, etc., pour euh, faciliter l'accès à ces produits qui existent. Je ne sais pas pourquoi le Niger a refusé, parce que ça a été demandé depuis 50 ans aujourd'hui, a toujours refusé de détaxer ces produits. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on est condamné à le faire ou alors condamné à, imposer à tout le monde de vivre dans la pénurie totale euh, d'électricité quant à sa troisième solution de se tourner vers l'énergie nucléaire, alors là, euh, Est-ce que le Niger a les moyens de... Là, je vais crier, oh là, non, non, non, non, non. Ça va être pire que Kandaji. Parce que techniquement, je suis un physicien. Je vais vous dire, l'énergie nucléaire, c'est la chose la plus difficile. plus difficile à maîtriser aujourd'hui. Un pays comme le Japon, un pays comme l'Allemagne, un pays comme euh, l'URSS, hein, ils ont, on a vu les dangers de, des, explosions et tout ça qui ne sont pas encore résolus. Fukushima, vous parlez de Fukushima. qui ne sont pas encore résolus. Voilà, nous sommes au terme de ce nouveau forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, professeur Albert Reit, ingénieur héliotechnicien, ancien directeur général de l'ONERSOL, l'actuel CNES, ancien directeur euh, des études de l'EMIG et ancien ministre d'État. Nous étions également avec euh, Maman Nouri, président de l'association nigérienne pour la défense des droits des consommateurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain vendredi 3 mars, même même fréquence. Vous serez en compagnie d'Alassane Kouzi Mamadou et une équipe de journalistes pour décrypter et décortiquer l'actualité de la semaine. Merci, au revoir.